Khadim Gueye, représentant euh, conseil technique numéro 1 du ministère de l'élevage euh, directeur de l'élevage docteur Damso, monsieur le maire Aliou Sow monsieur le parrain monsieur Nying directeur ITECOM di mon maître le grand président docteur Paf Diallo il nous aussi euh, tous les doyens du fi du di si jiital góor gi Hadj Mansour di organisation du fi qui yëpp di commencé euh, Renades président du wax euh, naa fi ASPEM de Saint-Louis gis naa ADSL de Saint-Louis gis naa fi GEPROC de Louga gis fi REPTEL de Tivaouane gis fi ADEL de Rufisque gis fi l'association euh, le regroupement des éleveurs de la banlieue de Pikine de docteur Nion euh, gis naa fi tamit waa de Mbour fi waa Agaro de kaolak xëy na ñeneen euh, ñu ma gisul wala te te ñu teew fi wala ñoo xam ne dama leen fàtte euh, di nuyu bépp éleveur ak bépp euh, élève bu fi nekk bu fi teew bu ñëw jàng si donc damay dooree di féliciter waa REIT si li ñu def tey di koy commencer par seen président docteur Pape Alé Diallo nga xam ni kenn du ko présenté bi nga xam ni kenn du euh, présenté liggéeyam bu mu def euh, Sangomar wax nga sànq préfet ak yeneen ak yeneen mais fii euh, xar bu baax bu ñu fi tudd loxoom mu ngi si biir parce que man lépp lu ma def si liggéey si élevage as tuut loxoom mu ngi si biir su ma waxee moom mooy suma maître inventé parce que c'est une réalité et du ma vous tay di rappeler parce que dafa am solo pourquoi mu am solo parce que élève dafay am maître un am un xam da nga maître pour les gens, pour les textes Euh, euh dor à la fin des années 90 nous avons vu gëstu gis ni euh, c'est un produit amélioré au départ c'est un toit vert

mu door ko ba pare jox ma ay sujet maanaam moom ñu commencé liggéey boobu euh, benn bali bali bu mu ko bu mu commencé woon bi mu demee ba am demi cent mu jox ma ko demi cent bi mu joxaat ma ko trois quarts bu mu jot a liggéey muy maire bi nga xam ne ñëpp moom lañu xam moom la mu mujjee jox tey jii maire bi mooy maamu champion yi fii nekk yu bëri donc grand ran bii nekk fii maire bi mooy maamu donc grand ran bii nekk fii loxo docteur Diallo bii mu ak magistrat bi nekk fii ak yeneen ak yeneen donc euh, juste pour dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'élevage Ladoum membre de la FENAFO bi fi euh FENAFO mu don fédération bi nga xam ne fédération nationale euh, des acteurs de la filière ovine su ñu filière ovine nak euh du rek Ladoum yi race yëpp ci lañu ñu bokk race yëpp ci lañu ñu bokk donc euh, ñëpp la ñuy liggéeyal même maison des éleveurs yi nga xam euh, ils sont dans l'élevage extensif qui le la de bokk nous, waral euh, sur la première année mandat bi ñu concentré sur la formation sur le volet 2018 bi la euh, formation et une def avec Enema Sanders que je remercie au passage on a fait beaucoup de régions on a fait la région de Thiès la région de Louga la région de Saint-Louis et nous avons fait de dem sax Touba mais étant donné que nous ne préparons pas, foire on a préféré attendre après. Euh, Rennes 2019 comme on est en début d'année y y a un gros chantier qui nous attend Et là aussi le Bari, nous le jury national commence à si mais Inch'Allah, sous peu de temps nous terminé. Euh, terminer. Hmm. parce que gis une une foire il y a beaucoup de rivalités, et nous avons coow li euh, association bu nek am nga sa indépendance donc association bu nek ak juré am ak euh, critères yu muy nattee et tout donc ku si nek lo def da koy euh, défendre maintenant nak pour que ëllëg du ñu def ñëpp mën ko reconnaître dañuy def benn jury national ñu définir ay critères yi nga xamne ne ñëpp dañ si d'accord mu nek ben règlement ak ben jury ñi di natt Thiès ñom ñoy natt Saint-Louis ñoy natt Dakar ñoy natt Tamba ñoy natt partout avec les mêmes critères, avec le même règlement. De telle sorte que xar suñ ko naanee reconnaître officiellement. Euh, loolu la bëggoon pour bañ sorry. sori. Merci. Monsieur le maire la ville de l'Ouest, mon cher ami frère, Anglais nous nous, nuyu di encore une deuxième fois dans une manifestation historique monsieur le conseiller technique représentant son excellence le, ministre en Mbengue de l'élevage monsieur le directeur de l'élevage monsieur Aboukan l'honorable Aboukan d'ailleurs je devrais dire j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre discours historique il doit être enseigné dans nos écoles. D'ailleurs, je vais vous donner un jour. Je veux saluer aussi l'ensemble des honorables invités qui sont là, particulièrement les présidents de réseau, les présidents de fédération. Je ne peux pas tous les citer, mais croyez-moi, je comprends en vos noms l'ensemble des présidents pour le remettre à M. Dr Ali Diallo, président du pays, qui m'a fait l'honneur de me faire parrain une si excellente journée, importante journée pour la ville de Thiès, mais aussi importante pour le Ladoum, n'est-ce pas, qui est, une race noble, comme l'ont dit déjà, beaucoup de communicateurs, et c'est l'occasion de les remercier pour les mots aimables qu'ils ont adressés à mon endroit, mais aussi les louanges qu'ils ont fait, n'est-ce pas, à, cette effectivement nobles que nous avons aimées, avec qui nous avons grandi pendant longtemps dans nos maisons, qui nous ont beaucoup servi, il faut le dire, que j'ai aimé parce que mon frère, je vais dire mon grand frère, monsieur le maire Stéphanie, m'a fait aimer quand j'étais relativement encore jeune, mais que j'ai repris le flambeau, je vais revenir quelques minutes après pour passer à une autre forme avec laquelle je vais travailler avec vous. C'est donc un véritable honneur. Je remercie tout le monde, je salue les invités, je salue les distingués invités qui sont là, les membres de l'EI, tous ceux qui ont organisé cette belle journée. Remercie aussi le directeur général de l'ITECOM-TIES, l'honorable docteur Mahan May, qui préside ici cette école depuis bientôt 7 ans, qui a d'abord étudié chez nous, qui est un expert en marketing, mais qui est venu aussi continuer cette œuvre que nous avons mise en place il y a 20 ans. Cette année, comme fait c'est 20 ans. 20 ans, ce n'est pas quelques jours, c'est plusieurs années. Beaucoup de jeunes ici qui étaient là n'étaient pas encore nés. Je salue aussi les membres de ma grande délégation qui traduit l'importance que j'ai donnée à cette journée. Vous m'avez honoré, c'est pourquoi j'ai déplacé toute mon équipe, toute mon école, j'ai laissé toutes les activités politiques, sociales que j'avais pour passer cette journée avec vous. Et, et croyez-moi, vous m'avez honoré parce que j'aime cette ville de Thiès, j'aime ce que vous faites et j'approuve d'ailleurs la façon dont vous avez organisé cette journée depuis 8 ans. Je remercie aussi ce monsieur, Ibrahim Faye monsieur M. professeur Ibrahima Faye bu et fekkee bis la délégation mandal vraiment la présidente des femmes est là les responsables des zones ouest est et nord sont là les tout le monde est là

waa Sénégal aussi amuñu seen fay parce que yéen waa Thiès laay wax parce que maa ngi sant yeneen organisation yi mais Thiès dafa nekk dëkk boo xam historiquement dafa mës a à lavant garde de tout Nous là, nous allons continuer avant garde de fu dem loolu sur le plan politique nous l'avons toujours été sur le plan économique nous l'avons toujours été sur le plan de l'innovation aussi sur le suñu maam liggéey nañ ci loo garder le flambeau que nous sommes en train de perdre peut-être. mais que nous sommes obligés de reprendre encore parce que Thiès nag yàgg naa ko wax mooy raay yi mooy train wu Sénégal parce que moo nekk au centre bañ nañ ko ba ñu tuddee li ko waral mooy nekk gaar buy dem fi ngay ñëw fooy dem ci Sénégal fi ngay ñëw luy jóg biir Sénégal fi ngay ñëw donc Thiès dañoo war a xam seen bopp xam ni ñoom ay bañkat lañu mais ay liggéeykat lañu ñu am fayda lañu donc li ngeen defoon ba lii war nañ continuer waat ba race bi ngeen di élever léegi di laajoo. et à travers l'ADOUM élevage beeg agriculture yépp ñu centré ko à Thiès loolu mun j'ai juste senti qu'il faut travailler pour la ville de Thiès et je me suis engagé pour voir dans quelle mesure je peux apporter non sans toucher ni sans heurter mon pays. beaucoup ñu ki may appelé, mais on est de très grands amis et mairie bi ce moment-là. je suis prêt à l'appuyer parce que nous yëpp pour c'est un homme excellent qui fait du bon travail loolu c'est très important Moi, abukan wax dama citer parce que c'est un homme qui est très clairvoyant la formation de vos techniciens sa xalaat parce que dama bokk ci organisation la professionnalisation de nos métiers une suñu de ñun depuis là-haut. on est associé à la 3 FPD. on est associé à définir des formations professionnalisantes il y a une formation qui xam ren nañu ko commencer mais amagul ampleur a mooy les formations en technicien d'élevage gestion d'entreprise agro pastorale comment manager l'entreprise, entreprise des techniciens d'agriculture les programmes sont écrits déjà validés par l'UEMOA où je fais partie du comité technique Il y programme yi pare na les yéene aussi may et ay bourses pour s'en ngeen qui ci techniciens j'avais prévu une cinquantaine pour cette année yoo xam ni a choisir ils ont a ont il faut français au minimum ont dit ils diplôme nous sommes prêts à les accompagner bi estimé c'est une valeur de douze millions cinq ça n'attend pas il faut juste nous envoyer les noms nous allons faire tout le programme ont tant de techniciens, ils forment les domaines et les certifications. Ils tout pour eux, mais ils tout aussi pour demain si vous voulez créer certaines Lolo L'Olu, Bimoko, Khaïmam, est une valeur de 28 millions, à peu près 500. Je suis quand même organisé, je ne suis pas tellement riche parce que je suis en école, je suis en école, je suis Mais je suis aussi cette organisation, une que financière un financier pour Khamni. Je vais rapidement le, le montant c'est pas la peine de citer mais en tout cas c'est quelques millions daa lañ ko jox sooy aussi dama xam ni ku organiser organisation bu mel nii sonn nga ci loolu c'est l'occasion de remercier le maire qui nous a facilité yàgg naa ko dégg ci moom euh, sincèrement le ngeen ma ko bëgg dem il a tout fait pour vous donc mun naa jàpp ni xëy na lépp mais dama ci dolli rek pour jàppale leen ci liggéey bi ma jàppale ci liggéey boobu ngeen xool ngeen koy gën a pour l'avenir nag wax naa Moustapha ak ñi ma rawaan di ko nuyu di sama frère aussi sant yi dafa tombé mais tamit suñuy maam tamit jege woon loolu donc euh, à partir de maintenant l'organisation pour la promotion sama étudiant yi naa leen sant ñu jël ay mémoire particulier def ko ci seen organisation pour voir dans quelle mesure des études marketing et stratégie peuvent être menées pour nous organiser ensemble la promotion de l'activité de l'année prochaine et la promotion. loolu ça va créer des journal développer du fundraising qui me semble important je sais que vous en faites mais il fallait l'organisation pour générer beaucoup de choses avec le fundraising et plein d'autres choses Il faut ni accompagner à travers une collaboration technique pour faire du fi payant dans un cabinet passionné avec le directeur marketing et de vous accompagner dans ce travail donc jàpp leen ni vraiment Lola laa am lu ndaw lu ma mën a teg loxo xeeb ko lool di ñaan ceeb mu gëna mëna yok di ñaanal aussi organisation bu melni continuer di remercier ñi fi yépp yëpp dégluñu di balu àq aussi ñi nga xam ni jël naa temps da bo xam duma jël temps bu gudd mais j'ai voulu spécifier certaines choses pour dire dal talal na loxo waa Thiès tàllal loxo waa dans le plan des études, école de Je me suis il y a 7 ans, ce n'était pas pour gagner de l'argent, honnêtement. Bon, j'avais une école à Dakar qui faisait 000 étudiants. Étudiants, vous faites beaucoup. Vous avez 100 000 francs par mois. Une école nous chère. Ma une résidence universitaire, il beaucoup plus Les euh, Étudiants, qui est pas de l'or, mais sont nous habitent. Ils n'ont pas de pour lecture, pour les transporter. J'en avais vraiment le cœur serré. Ça m'a sauvé yàlla a aussi mu dëkk Thiès papaam dëkk fii yaayam dëkk fii wax dara mais des do waa la bokkoon tamit ay moment ci étudiants yi nekkoon foofu ma remarqué woon loolu ma ne daal naa ñëw Thiès forcé sama conseil d' du ko yàq ans li ñuy fayeeku Dakar ma xaaj ko fii ku fi jàng koy ubbi la moitié ay bourse laa ko may yëpp pratiquement la ñuy fay li ci ëpp Dakar mooy subventionné école Thiès bi lors aussi je leen di collaboration avec le maire et les autres pour en comment on peut faire et aider toutes les autres écoles aussi mais particulièrement quand même l'école euh, qui est une école de fils de caisse. Euh, donc donc vous remercier sur le plan du développement de l'UMEDEF aussi Marie vous sur le plan politique et sur le plan social dans les financements et dans l'accompagnement, je me d'abord à l'entame de mes propos de saluer toutes les autorités ici présentes. Euh, je commencerai par le représentant du ministre, le conseil technique. Transmettez nos salutations à Madame le ministre Aminata Diaye très dévouée dans sa tâche. Nous l'avons rencontré ici il y a deux ans. Nous avons fait un engagement extraordinaire et je crois que ces engagements sont en train d'être respectés sur le territoire national. Euh, président Aboukan, nous avons les d'abord avec la délégation binale di dalal Djam, le représentant de notre frère Sow Bourenades, et euh, son représentant euh, Khadim mais nous le félicitons vivement parce que y eu une manifestation du ñu fi def euh, année mois passé c'est par des problèmes de réglage Je mais j'étais prêt à venir présider la cérémonie d'ailleurs je may venu dama fekk je m'en excuse profondément. De remercier les étudiants ici présents de l'IDECOM, euh, les exhorté au travail à l'image de votre directeur général ici présent. nous sommes dans le milieu de l'élevage c'est pourquoi je me permettrai peut-être de faire le discours en wolof pour peut-être euh, prendre en compte tous ceux qui sont dans l'élevage et qui n'ont pas peut-être la chance de pouvoir euh, décortiquer l'Union ñuy tout va bien. d'abord damay remercier qui ñu fait ci tribune bi ñëpp ñëpp ñëpp vraiment de tout je commencerai par le docteur Pape Ali Diallo damay jaawale xabaar lépp xabaar moom jar na jaawale xaram yi du jox kenn donc lépp solo mooy ñu waxante dëgg li nga dëgg ji mooy la ñun nous sommes élus par les populations dama wax fii daaw ma ne président Aboubacar bi ñun ñoo war a créer emploi gis nga li ngeen di wax nii c'est le devoir des pouvoirs publics maanaam tey boo nee une maison une brebis c'est-à-dire c'est une politique man demoon naa réunion ay feur bi ñu ko waxee man maa représenté woon les maires du département de Thiès mais wane ma la ma leen wax ne lii ngeen di def du benn amul tax ñun sénégalais yi dafa am ñoo xam ne xaw ma dañoo bokk xaw ma leen ndax yow da ngay judd sa papa nekk éleveur seen kër ay xar fa nekk ci lañ la fayale sa jàng ci lañ la dundale ba nga màgg xar jële gene sa kër boo ko tabaxee mbaar du fa nekk ku mel ne Pape Ali Diallo dàq laa jàng dem école boo xam ne deewoo monsieur le maire di sëgg di sàgg ay xaram ko rek tabaski jot nga ñëw gàddu sa benn cent mille bëgg mu jaay la xar loo ko jaay kër gu fi xar amul xajul amul nit ñi ñoo ko xajoowul c'est ça la réalité ñii jàng nii bees xamuñu ay tubaab lañu xamuñu ay lan lañ ganaar da leen di gérer xar da leen di gérer nag da leen di gérer muus da leen di gérer ba pare nga bëgg am maintenant yoon di la gérer nga bëgg am ses services il faut payer trop cher vendre les moutons à leur prix dama ni xar ku koy yar xam ne lii muy dafa quand tu as des moutons tu gênes tes enfants tu gênes ta femme tu gênes tes voisins tu te fatigues du matin au soir Ben, tubaab bu nekk fële c'est parce que bac Salam, la am jàngalekat la ñëw tabax këram la les moutons ça gêne ça fait trop de bruit tabaski jot nga tu sa xool cent mille kon nafa te cent mille ba pare bëgguñ jaay la c'est pas possible cette politique là pour la mener il faut que les gens reviennent à la réalité nous savons, xam ne ñun duñu ay tubaab on construit des maisons comme des prisons. On s'enferme. On s'ouvre à personne. On ne s'ouvre pas aux bêtes. Et on veut avoir les services de ces bêtes. C'est pas possible. Mais nous savons Et un grand penseur a dit on ne peut développer une société qu'à travers ses réalités socioculturelles. La réalité en Europe, ce n'est pas nos réels. Docteur, dama dem ci une conférence Paris xam Espagne gars une bu un jàngee vous na une sol Je vais vous ne kaw kaw ko man mais daal jàngal naa sama France gisagu len dara d'ici 10 ans lu gëna terrible mo len dal et c'est un professeur d'histoire mo ne vous avez la malchance de coloniser tous les pays africains musulmans ce sont des musulmans qui sont venus se marier à vos fils à vos filles à vos enfants mais qu'est-ce que vous voulez Allah akbar ak seydina sallallahu alayhi wa sallam football donc réalité il changer vraiment je veux féliciter tous les jeunes qui sont là monsieur vraiment merci beaucoup grand frère je veux vraiment que cette politique que vous êtes en train de mener dans caisse, que ces jeunes éleveurs qui sont là très courageux man vais vous dire vais vous dama foire tu payes 1500 francs par stand et par jour les 100 stands

Tout Monon Tok Fone Tefoko, monsieur le mets. L'Union, nous calculer, cette fois, demain, nous revenons faire 1 million de taxes. J'ai dit, nous ne Publicité, nous ne Et en plus, la mairie vous donne 1 million de subventions pour l'organisation. Et c'est inscrit tous les ans, on le fait. C'est un peu plus de la loi, Bien fait, on vient de voter le budget. Mais, Jemlen, je ne pas On fait l'engagement, je l'ai signé hier. Vous avez 1 million, vous allez vous prendre ça en partie à l'organisation. Si le ministre le fait, le maire le fait, quel est le défaut ces jeunes se trop accompagnés. Et eh maintenant, dans cet accompagnement, ils vont oser continuer dans l'élevage. Parce qu'il y a de Foucault qui sont donc on fait des Et s'ils sentent que l'élevage ne fait plus vivre son nom, ces gens deviennent baillis. Tout de suite, j'ai présidé une réunion des entraîneurs, dont je suis le vice-président au niveau national. C'est tous les entraîneurs éducateurs football du Sénégal. J'ai dit tout de suite aux entraîneurs, semaine prochaine, on va discuter sur le statut des entraîneurs. Quand un entraîneur national, Karim Sega Diouf, meurt, et à une semaine on demandait pour faire ça c'est une honte nationale il n'est pas n'importe quel Je il est entré de l'équipe nationale du Sénégal ne serait-ce qu'une carte pour le prise en charge qui devait en bénéficier je le la semaine prochaine on appelle à l'alerte on arrête les sifflets et on discute sur notre statut man je nañ pas mais quelqu'un qui a l'équipe nationale en charge vraiment benn carte bu ñu koy faje waruñu di Sébé pour faj ko mu dese dañu fa ñaata millions c'est ça donc si ces jeunes là sentent que l'élevage ne fait plus vivre son homme, mais ils vont rebrousser chemin, dem défi Donc, monsieur le ministre, vraiment, soyez notre porte-parole au niveau de, euh, du ministre euh, Aminata Bengay et remercier la notre part. Vraiment, des santé de Gurum Nifinek. Euh, maintenant, je suis naturellement comme ça. de feuille, amour. Je me sens dire là Je veux vraiment me conformer aux réalités. Si on est ici, on va dire qu'il y a le On

merci euh, monsieur le ñun sax daan nañu koy def ñu bëgg ci sànni tuuti rek di gërëm euh, Pape Ali mii dama ne ci wolof Pape Ali ñun ñoo bokk fu ñu génne mais sama classe gi de moo leen ëpp mérite dama ko bëgg xale yi def ko royukaay parce que mënoon na dem wuti salaire comme ñun xëy na moo gënoon yomb mais dafa jël risque ñëw ci privé bi may fàttaliku keneen ku defoon loolu Michel Saba def naa noonu la yal na yàlla euh, woyofal suuf ci kawam fii la nekkoon Thiès donc Thiès amoon ngeen ñaari chance exemple yi Pape Ali mii nag yàlla na ko fi yàlla yàggal mu yàgg leen a jàppale donc dama koy féliciter ci turu ministre bi fi ma njëkk tàmbalee nag wax naa ko le maire Sow la dëgg-dëgg bu maire yëpp doon jàppale ni muy jàppale élevage je pense que weesu nañu fii donc damay réitérer sama ngërëm ci turam ci ci turu ministre bi muy le maire Sow euh, di saluer nag fullaam ak faayda man mii ngay gisit nag du ma wax lu ma gëmul te nag wutatuma benn post kon nag li may wax rek euh, mooy li ma gis rek laa wax Aminata Mbengue nag danaa jot li ngërëm li ngeen ko euh, yónnee yàgg naa wax ñi may dajee ci foire yi fekke nañ ko damay di wax ne man liggéey naa yàlla dimbali na ma liggéey naa ak fukki ministre ak ñaar mais ku am fulla ne moom ñeme àll bi ne moom jege askan wi ne moom nangoo dimbali askan wi bariwul lu ma ko gis waxuma nag lu ko neex ndax yàlla may na ma nag ministre yi ma liggéey nii yëpp man kenn mësuma yet ndax xam naa nu ñuy toogee kilifa waaye nag bu wax dëgg jotee ba wax ko waaye moom nag ku gis nen ne nen a ngi nii ñaan euh, Sow danaa ko jottali sa félicitation jottali ko félicitation pare bi pare bi nag ci laay mujjee vraiment euh, man sama yaram dafa daw parce que quand même ku dellu si ca dëkk nii bu ñëpp doon def noonu ni ko maire Sow waxee Sénégal dana développé wu ndax indi école fii man am naa samay doom am naa sax kuy def bac boo moytu naa la seet si <laughs> du wut bourse nag mais ñu ko xam rek peut-être différentes filières yi ñu ñu mën a yu ñu mën a suivre mais ñëw ci lëkk bi delloo askan wi njukkal ci liñ la jàppale vraiment loolu ñëpp dañ koy rafetlu te xam naa ne ministre bi su ko fekkee woon it dana dana ko dana ko gën waaye lu ñu dana ko dana dana ko dana ko rafetlu lii daal laa amoon parce que bëgguma wax ji guddi gudd laadum nag vraiment fierté Sénégal yëpp la kon nag nañu ko gën a sàmm euh, état bi dana ko accompagner ñu réfléchir lool ci leçon inaugurale bi pare bi wax euh, monsieur Gning c'est bien ça euh, may fekke souvent abukan fu muy waxee loolu na ngeen jàpp ne lii ngeen yor entreprise la entreprise la je crois que wax na ko il faut ñu gën fonk xar mën na amal njëriñ nit ñi maa ngi leen gërëm di leen sant merci beaucoup. voilà merci beaucoup jërëjëf.